si monsieur Moussa Sy euh, si invitation bi tay ma ñëwoon fi wuy si la ngir euh, préparer une benn activité à l'école muy final activité sport à l'école IASU y ko a comme euh, Nous ko war bi en élémentaire C'est l'école HLM 4E e ak Koumando FEN B en élémentaire au niveau de des cadets c'est le CM Samba Gueye qui va jouer contre CM HLM 4 C si l'on euh, a le maire de la commune de Chalem, qui est le parrain de cette activité espoir scolaire la marraine c'est l'inspectrice de l'éducation et de la formation l'invité de l'ONEC, c'est le ministre de la jeunesse sport et de la culture c'est l'invité si ça nous population nous final Finalement, municipal le mercredi 29 29 mai à partir de 15 heures muy ñaari match ñaari final yo xamante en minimum et encadré. cadet Nous ñuy ñaan dans daal ñu a inviter tous les conseils municipaux au niveau de la commune de Chalem. ak tous les tous les sportifs qui sont au niveau de la commune ñëpp les invités, invité si li nga xamante ne événement coupe scolaire Bobo, mu am le le mercredi 29 mai à partir de 15 heures par bi c'est monsieur Moustapha Diop le maire de la commune de Chalem.